le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum du studio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 38 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou a pour thème prévention de conflits au Niger cas de conflits intercommunautaires. Dans la région du Sahel, les conflits d'accès aux ressources naturelles opposant les communautés ne cessent de se multiplier. Rapidement instrumentalisés, ces conflits nourrissent l'émergence de conflits armés intercommunautaires qui alimentent à leur tour l'insécurité régionale. Avec euh, nos invités, nous allons chercher à comprendre les origines, les différentes formes de conflits intercommunautaires et leurs conséquences dans un pays considéré comme étant l'un des plus pauvres au monde, mais tout de même paisible comparativement à ses voisins immédiats. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir en ligne Soumana Amadou, secrétaire général de la préfecture euh, du département de Falmaï, région de Dosso. Soumana Amadou, bonsoir. Bonsoir, Moukar. Et Marou Amadou Bello, conseiller technique en communication à l'Association pour la redynamisation de l'élevage au Niger. Marou Amadou Bello, bonsoir. Bonsoir. Au micro, Mokhtar Hamadou. Soumana Amadou, quand on parle de Falmaï, certains voient directement à des conflits et depuis quelque temps, ces conflits ont baissé d'intensité. Quels sont les conflits identifiés chez vous et les dispositions prises pour réduire l'intensité de ces conflits Bonjour euh, Tout d'abord, euh, je remercie infiniment le Tidok Tangou pour l'opportunité qu'il nous offre en vue de nous exprimer. D'abord, euh, comme vous l'avez dit, le département de Falmey est diabolisé à tort ou à raison par rapport euh, au conflit intercommunautaire, peut-être plus à raison. Mais en introduction, ce que je voulais dire, que euh, l'on doit comprendre que le conflit, est toujours la résistance euh, d'une dynamique. C'est-à-dire que la est là, elle n'est pas statique, elle bouge. Donc, les gens sont appelés à définir les droits des autres et de là naissent les conflits. Pour dire que ça participe de la vie normale de toute terme disait même qu'une société sans conflit n'est ni possible ni souhaitable, puisque cela suppose un nivellement d'esprit au niveau de tous les membres de la société. Donc, euh, pour passer à votre question, moi, j'aimerais faire euh, une typologie pas conflit intercommunautaire, mais inter et intracommunautaire, parce que c'est les deux cas que nous rencontrons au niveau de notre département, même cela relève de l'histoire parce que ça fait plus de dix ans depuis l'avènement de la septième république. Les conflits intercommunautaires, euh, on n'en a jamais enregistré dans notre département Mais Néanmoins, nous avons relevé une typologie, comme je l'ai dit, le conflit agriculteur-éleveur. Ce type de conflit concerne euh, notamment les conflit par rapport aux dégâts champêtres, par rapport à l'exploitation des condos, par rapport au non-respect des couloirs de passage et des aides de pâturage par les deux parties, le nord, respect aussi des délais de libération des champs. On a identifié aussi des conflits éleveurs-éleveurs. Donc ça, c'est un conflit intracommunautaire qui relève euh, le plus souvent de l'exploitation des points d'eau ou des aides de pâturage, aussi les transiments étrangers. Il y a également des conflits agriculteurs-agriculteurs, là, euh, qui concerne la question des limites des champs, les limites des terroirs, les passages d'héritage et, et les chefferies traditionnelles. Donc voilà, en fait, euh, de façon générale, résumée synthétique, la typologie des conflits que nous rencontrons au niveau de notre département. Quelles sont les dispositions prises au niveau du département du Falmaï pour euh, euh, réduire au mieux ces conflits Avant de passer aux dispositions, si vous le permettez, j'aimerais un peu notifier les causes. Allez-y, allez-y. Là, on a deux grandes classes de causes que nous avons pu identifier. Il y a ce que nous appelons les causes naturelles, ce que j'appelle, j'ai appelé les causes naturelles et les causes socio-économiques. Donc, entre autres causes naturelles, il y a le manque d'espace, donc dû à la forte densité. Vous savez que nous, nous avons euh, l'une des plus fortes densités du pays parce que ça peut aller jusqu'à 100 habitants au kilomètre carré, ce qui fait que la terre euh, représente un enjeu très important et qui fait que euh, le plus souvent les gens se heurtent. Et il y a aussi les changements climatiques qui fait que les points d'eau s'assèchent et l'insuffisance des produits fourragers qui entraîne euh, la divagation des animaux dans les aires de culture. Donc, euh, pour les causes euh, socio-économiques, il y a la consommation de la drogue et des stupéfiants. Parce que vous le savez, les frontières, généralement en Afrique, particulièrement au Niger, plus ou moins poreuses et ce qui fait que l'introduction de, la drogue, des stupéfiants et parfois même des armes à feu accentue vraiment ces conflits parce que quand la drogue est à portée de la main, eh, les, les, jeunes, surtout quand ils boivent et quand ils prennent ça, et eh, il suffit d'un petit truc et eh, ils rentrent dedans. Donc, c'est l'une des causes aussi socio-économiques. Il y a aussi l'intolérance communautaire. La récurrence des conflits ont fait que les communautés étaient devenues à un point où il y a une réticence vis-à-vis l'une de l'autre et qui fait que bon, la communication est presque impossible et parfois euh, il suffit d'une petite incompréhension et c'est parti. Donc euh, il y a la dislocation du tissu social. Euh, maintenant les anciens ne sont plus écoutés au village ou refusent parfois même de dire la vérité suite par exemple à un dégât champêtre à quelque chose. ils refusent de dire la vérité et parfois quand même même ils le disent ils ne sont pas écoutés. Donc tout ça là, ce sont des facteurs aggravants. Et aussi, il y a l'affaiblissement du pouvoir coutumier. Vous savez, dans notre zone, un peu partout au milieu il suffit qu'il y ait une euh, question de chaufferie, d'élection des chefs de village, et des clans qui vont se dessiner au niveau de ces villages, qui fait que parfois le chef n'a pas euh, l'autorité requise. Donc voilà, en fait, un peu de façon résumée, les causes profondes que j'ai pu relever par rapport à, ces conflits. Maintenant, les solutions, nous, à notre niveau, au niveau du département de Falmay, plus précisément, parce que je vous l'ai dit, et je l'ai dit en introduction, que ça fait plus de dix ans, on n'a pas enregistré un seul conflit inter- ou intracommunautaire dans notre zone. Donc c'est parce que des dispositions ont été prises. En fait, le mérite ne nous revient pas, le, mérite revient au régime et au président de la République, appelle le chef de l'État. On a mis en place euh, des mécanismes de prévention et de gestion de ces conflits. Entre autres mécanismes de prévention, il y a la sensibilisation. Rien que l'année passée, avec l'appui de la haute autorité à la consolidation de la paix, nous avons entrepris une large campagne de sensibilisation dans tous les villages du département des deux communes de Farming. Et ça, c'est en compagnie avec euh, tous les services techniques et les forces de l'ordre pour développer des thèmes sur la, la spécifique pacifique, sur la paix. On a développé des thèmes sur le trafic et la consommation des drogues, sur le trafic des armes à feu et sur le respect des dates de libération des champs, sur le respect des couloirs et des heures de pâturage et sur le respect de l'autorité coutumière. Dans tous les villages, on a tenu des tests de sensibilisation de la population par rapport à ça. Et au niveau des deux communes, on a mis en place aussi des cadres de concertation communaux qui gèrent en amont tout ce qui est litige lié à, aux dégâts champêtres politique de terroir, et aux limites des champs et autres. Donc, ce qui fait que le plus souvent, les conflits ou bien les litiges sont atténués même au niveau de la commune. Euh, au niveau du département, nous avons mis en place un comité départemental de veille sur la descente pacifique des animaux. Parce que, vous savez, le problème, c'est à ce niveau. On peut avoir 11 mois d'accalmie, mais le mois de descente des animaux, c'est vraiment un trouble général au niveau du département. Donc, on a mis en place un comité de veille qui a mis ses représentants au niveau de tous les villages. C'est en quelque sorte un comité d'alerte. Dès qu'il y a un foyer de tension qui se crée, les relais là, ils se mettent en contact avec ce comité qui se réunit aussi pour aller dans le dit village pour euh, régler à l'amiable euh, le problème. Donc on a favorisé aussi la bonne communication. Entre autres moyens de prévention, c'est ce que nous avons mis en place. Maintenant, on a aussi, euh, avec l'appui de l'État et des partenaires, pu mettre en œuvre les organisations ou bien des trucs structurants comme le fonçage des puits, la création des retenues d'eau dans le cadre du programme de la Renaissance du de la République. Donc, avec l'appui du Conseil régional, des partenaires et de l'État, on a pu aussi délimiter, baliser tous les aires de pâturage et tous les couloirs de passage de notre département. Donc, on a, avec euh, l'aide de l'État et des partenaires, pu créer des activités régénératrices de revenus, notamment à travers la récupération des terres, le faux cordage, le demi-lune et ce qu'on appelle les RNA. Donc voilà en fait le mécanisme que nous avons mis en place qui a fait que vraiment, de façon progressive, la paix s'instaure dans le département de Falmey et nous demandons au bon Dieu que vraiment les conflits inter ou communautaires relèvent de l'histoire dans notre département et Amadou Bello, quelles sont les actions à mettre à l'actif de l'association pour la redynamisation de l'élevage au Niger pour prévenir et gérer les conflits communautaires Merci beaucoup. Je dis bonjour à nos auditrices et nos auditeurs. Au niveau de AREN, nous avons quand même un certain nombre de dispositifs qui a été mis en place et surtout nous nous basons sur nos sur nos militants de base parce que association Arène quand même c'est une association d'envergure nationale qui est présente dans toutes les régions du Niger et qui dispose des structures de base et sans oublier que c'est une confédération des organisations paysannes à la base parce que pour adhérer même à Arène il faut être membre d'un groupement et c'est le groupement qui, euh, qui adhère à Arène. Et ceci étant, euh, dans le cadre de ces conflits, comme l'a dit mon prédécesseur, c'est des conflits de plusieurs natures. Je suis d'accord avec lui par rapport à la typologie qu'il vient de décliner. Nous avons des conflits intercommunautaires, des conflits intracommunautaires, des conflits entre États et population. Nous avons des conflits inter-même étatiques. Donc nous avons plusieurs typologies de conflits. Au niveau de Arène, euh, d'abord, ce que nous faisons depuis un certain temps, pour l'essentiel, c'est autour de la sécurisation des ressources pastorales. Arène a deux systèmes fonctionnels. Le premier, c'est la mise en place d'un système de veille informative. C'est-à-dire qu'au euh, niveau de la base, nous avons euh, recruté des relais qui surveillent quotidiennement les mouvements de, transiments et puis les conflits qui peuvent naître et il, euh, remontent l'information au niveau des départements, des régions et au niveau national. En plus de ces de systèmes de veille informative, nous avons mis en place aussi un système d'alerte en ce qui concerne les ressources pastorales. ce système d'alerte euh, consisterait à avoir euh, un service juridique au niveau du secrétariat exécutif de AREN et, ce service juridique-là suit un peu l'actualité euh, foncière au niveau du pays. Et dès que euh, nous avons une alerte d'une vente d'une aire de pâturage, par exemple, qui est aussi euh, source de conflit. complètement. Et nous saisissons les autorités administratives et judiciaires pour arrêter par exemple les procédures d'obtention de titres fonciers sur les ressources pastorales, pour organiser des forums au niveau local pour que la population puisse vraiment euh, se réveiller et militer en faveur de la sécurisation de leurs ressources. Et en plus, euh, le plus souvent, nous établissons aussi euh, des actes qui nous permettent de d'ester en justice en cas de nécessité. Toujours est-il que notre outil de bataille, c'est que les ressources pastorales appartiennent à tout le monde, par conséquent appartiennent à l'État du Niger. Donc nous interpellons l'État pour qu'il puisse lui-même sécuriser ses propres ressources, tout en impliquant euh, l'ensemble des acteurs. Au niveau de Arène, euh, nous faisons des sensibilisations euh, à tous les niveaux. Le représentant de la préfecture vient de le dire. En termes de sécurisation, nous avons toujours les rougas, les garçons, les militants, même des associations pastorales qui sont là, qui assurent la veille au niveau de différentes communes. Mais ce qu'il y a lieu de dire, c'est que mon prédécesseur, il a cité la plupart des causes de ce conflit-là. C'est la justesse de l'intervention de l'État. Parce que l'État étant l'arbitre. Mais il, a rappelé que c'est avec la conjugaison des efforts de l'État. Il a quand même euh, effleuré l'intervention de l'État depuis dix ans. Oui. Je suis d'accord avec lui que l'État intervient euh, à juste titre d'ailleurs à tous les niveaux euh, pour que on puisse atténuer ces conflits-là. Néanmoins, il faut aussi dire que l'État met de la de la lenteur dans l'application des, des lois et règlements en matière de gestion des ressources. Pourquoi je le dis Parce que nous avons quand même bataillé pendant 18 ans pour obtenir euh, le code rural, le code pastoral surtout, et qui a quand même euh, qui contient des dispositions assez pratiques pour la résolution de ces conflits-là, pour la prévention aussi de, de ces conflits. Mais c'est à ce niveau-là, l'État n'applique pas les dispositions de cette loi conséquemment euh, au aux conflits qui existent dans notre pays et dans la sous-région. malgré ces insuffisances, est-ce que euh, des avancées notables ont été enregistrées par le Niger Oui, oui, oui. On peut dire que le Niger a avancé parce que le code pastoral a été adopté. Certains décrets d'application euh, ont été aussi pris. Maintenant, ce qui reste, c'est de compléter les textes en prenant d'autres arrêtés et d'autres décrets d'application du code pastoral et surtout en appliquant les, dispositions de ce code-là à la base au niveau des différentes communes. Maintenant, le conflit auquel nous faisons face aujourd'hui, qui est le plus dangereux et le plus meurtrier d'ailleurs, c'est le conflit de, de nouveaux types, notamment le conflit dit djihadiste. Actuellement, dans la sous-région du Sahel, que ce soit à la frontière du Burkina, du Mali ou même à la frontière du Tchad, du Cameroun et du Nigeria, nous assistons quand même à une présence très marquée de, groupes armés, non étatiques. Non étatiques qui sont présents, et qui sont dénommés soit des groupes euh, de djihadistes, soit des groupes d'autodéfense d'autres communautés autres que les communautés pastorales. Donc, ce qui amène vraiment euh, nous amène dans un dilemme. Pourquoi le dilemme Parce que quand on parle d'État, on parle de texte, on parle de loi. Mais quand on parle de djihadistes ou de mouvements armés non étatiques, ils ont leur propre loi qui se soustrait de ce que nous connaissons et que, bon, au niveau des États, il y a un problème d'amalgame qui s'est fait surtout euh, entre le djihadiste et sa communauté d'origine. Quand vous suivez l'actualité aujourd'hui, que ce soit au Mali ou au Burkina, nous avons quand même des exécutions extrajudiciaires qui vont au-delà du djihadiste, qui attaquent les communautés dont on pense que les djihadistes sont issus. Et ça, les transhumants et les éleveurs en souffrent beaucoup. Moro Amadou quelle est la contribution des structures de jeunes, des ulémas et même euh, de la chefferie traditionnelle pour apaiser les cœurs et les esprits Je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives. Par exemple, nous, au niveau de Arène, avec l'aide de Oxfam, nous avions, il y a un an de cela, installé des, des groupes de dialogue au niveau des, des communes euh, frontalières euh, du Niger, par exemple à Bani Bangou, et à Abala, à, à ou Inates. C'est un peu créer des, des groupes dans lesquels on retrouve des jeunes, des religieux, des agriculteurs, des éleveurs, pour que ces gens-là puissent discuter ensemble et pouvoir euh, résoudre le problème à la base, au lieu que le les communautés s'affrontent, les communautés doivent analyser la chose de la manière à dire que nous sommes tous des victimes. Pourquoi nous le disons C'est ce schéma-là, on a fait ça au nord Tilaberi, on a fait ça à, à Toumour, et, les communes frontalières avec le Nigeria et le Tchad. Pourquoi nous, on estime que euh, toutes les communautés sont victimes Il est bien vrai. Parce que lorsque vous prenez le cas de, des communes frontalières du Burkina, où les communes, notamment Torodi, Terra, et et Bankilare, ou quand vous prenez les autres communes, Abala, Filengue, eh, Bani Bangou, Inates et Ayoru, c'est des zones dans lesquelles aucune activité socio-économique n'est possible aujourd'hui. Ou, même quand elles sont possibles, ces activités-là sont freinées. Une zone où on a décrété l'état d'urgence, ça veut dire que on a amendé les activités de production et les activités marchandes. Il n'y a plus de marché hebdomadaire. Même s'il y en a, ces marchés ne sont pas tellement fréquentés. Les mouvements sont réduits et lorsqu'il n'y a pas de circulation de véhicules, de circulation de motos de façon fluide, acceptez avec moi que les activités socio-économiques sont en train de se réduire considérablement et les activités productives, notamment l'agriculture et l'élevage, <coughs> ne vont pas se pratiquer comme ça se doit. Et si ces activités ne sont pas pratiquées, elles génèrent d'autres choses, notamment l'appauvrissement de la population et voire même la rareté des ressources de subsistance de ces populations-là, ce qui constitue encore un autre facteur d'exerpation des conflits dans ces différentes zones-là. C'est pourquoi nous, à son temps, on avait fait constituer ces groupes-là, on avait aidé les radios communautaires de ces différentes zones-là pour diffuser des messages de paix, des messages de réconciliation et faire des appels au niveau des États pour que les États puissent voir comment est-ce que on peut assurer sa mission régalienne d'État, c'est-à-dire sécuriser la population et les biens et pouvoir aussi assurer la survie et la productivité socio-économique des, des zones concernées par ces conflits-là. Ousmana Amadou, quelles sont les conséquences de ces conflits sur le développement économique des localités à travers notamment les échanges Comme ça a toujours été montré par euh, les études, les conflits et le développement sont liés. Les conflits ou bien le sous-développement engendre les conflits qui à leur tour accentuent la pauvreté. Donc ça c'est l'une des grandes conséquences. L'intervenant vient de le dire, euh, il y a des activités économiques économique euh, qui, s'arrête presque. Il y a aussi les pertes en vie humaines qu'il vient d'évoquer. Parce que si on prend les statistiques, je vous disais tout de suite que le mérite ne nous revient pas, le, mérite revient au régime de la 7e République et à son Excellence le, président de la République, Mamadou Soukou. Parce que depuis son avènement, je vous l'ai dit et je le répète, il n'y a pas eu de conflit intercommunautaire, nous, dans notre département. Or, les chiffres, on était à combien avant l'avènement de la 7e République On était à 378 conflits intercommunautaires dans le Grand Bouvoy, parce que dans le cas c'était le, le, Grand Bouvoy, Salmaï et Bouvoy étaient ensemble. On était à 378 conflits et 70 morts. C'était ça les chiffres avant l'avènement de la De l'accession du président de la République au pouvoir à maintenant, en tout cas au niveau du département de Salmaï, on est à zéro conflit, zéro mort. Ça veut dire que des avancées ont été enregistrées Beaucoup d'avancées ont été enregistrées et cela a été possible par euh, je disais, les mécanismes que nous avons mis en place, tout de suite, il y a un élément très important que j'ai évoqué. Bon, je l'ai effleuré, mais je, pas, je, ne m'étais pas étendu là-dessus. Mon prédécesseur vient de le dire. C'est les rougas et les garçons, qui sont des auxiliaires de l'administration et qui contribuent efficacement au maintien de la paix intercommunautaire. C'est vraiment des organisations qui interviennent de façon très efficace. Et il y a aussi, j'ai parlé des partenaires, il y a Arène que je connais très bien, qui a bien travaillé avec nous et qui à chaque moment ne de nous interpeller par rapport à beaucoup de questions. Et tout ça ça participe de la dynamique de la gestion. Parce que leurs contributions sont plus que nécessaires pour une bonne gestion de ce conflit-là. Il y a Arène, il y a Fernandado, il y a Ropen, mais il y a toutes ces structures-là qui viennent nous interpeller quand une situation se présente. On discute, on échange avec eux et on a la bonne solution. Mais il y a une structure qui a fait un mini-forum ici à Palme, auquel on a invité tous les acteurs, et même des acteurs burkinabés, on les a invités ici. C'était venu, on avait débattu pendant une journée par rapport à ces conflits. Et on a fait de très bonnes conclusions, des conclusions dont leur mise en application nous a permis encore de pérenniser la paix dans, dans le département. Et j'aimerais parler aussi d'un point très important, c'est l'ignorance de nos populations. Tout de suite, euh, M. Bello évoquait le rôle de l'État, notamment dans la divulgation des textes en vigueur. Moi, je pense que, bon, c'est vrai, quand on dit l'État, c'est tellement impersonnel, on ne sait même pas à qui on s'adresse parfois, parce que l'État, c'est nous tous. C'est nous tous. En réalité, c'est plus de notre devoir en tant que citoyen et organisation de la société civile, c'est plus de notre devoir que du devoir de l'État de faire en sorte que les populations-là aient accès à ce texte. Et je pense qu'ils sont dedans. Toutes les organisations paysannes-là, toutes les organisations AREN, Prenado et autres, et, les autres organisations des agriculteurs sont dedans. À chaque instant, ils réunissent leurs membres. Ils leur font des formations de, de renforcement des capacités par rapport au texte. Mais je, vous dis, vous pouvez rencontrer aujourd'hui un paysan qui, vous n'allez pas le croire, qui connaît très bien le texte du Code rural, notamment du 2022. Ça, c'est notre rôle, parce que nous, au Niger, on a eu la faiblesse d'avoir une, population sous-scolarisée. Donc, maintenant, c'est à nous d'aller vers eux, de leur apporter les connaissances par rapport à ces textes-là. Je pense que cela faisant, nous pouvons vraiment, dans une grande mesure, atteindre les situations euh, atteindre les conflits. Soumana Amadou, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites euh, quotidiennement face Les difficultés, elles sont de plusieurs ordres. Parce que il y a, comme le producteur euh, vient de le dire, il y a la question, la question de l'ignorance. Je le dis, je le répète. La question de l'ignorance, c'est une très grande difficulté, nous, à notre niveau. On dit que l'une est censé ignorer la loi, mais lorsque la personne n'a pas le bagage intellectuel requis pour avoir accès à ces, lois, lorsque nous, nous ne faisons pas le maximum pour leur apporter les connaissances par rapport à ces lois-là, donc, on se trouve devant un citoyen très difficile à gérer. Bon, je ne peux pas évoquer la question des moyens parce que moi, je pense que faire une sensibilisation ou aller vers les populations de sensibiliser, moi, je considère pas qu'il faut des énormes moyens pour le faire, mais quand même, un minimum euh, doit être réduit par rapport à cet aspect, par rapport à, là Un minimum de moyens. Euh, les moyens, n'est pas seulement les fonds, il y a la logistique, il y a les ressources humaines. Et tous les ressources humaines par rapport à une sensibilisation. Soumane Amadou, est-ce que les médias peuvent avoir un rôle à jouer dans le cadre de la prévention des conflits Les médias sont déjà dans les rôles. Aujourd'hui, le sujet que l'Anglais nous a invité, le forum que nous sommes en train d'animer, c'est à l'intention de toute la population, à l'intention de toute la population du Niger, ou même au-delà. C'est un des rôles des médias. Mais je pense que ce que je demanderais aux médias, d'être plus proche de la population, de vers la population. Marou Amadou Bello, un Niger sans conflit est-il possible oui, bon, comme euh, l'a dit le, Monsieur le SG, euh, le, conflit aussi, ça, euh, ça dénote de la vivacité d'une société. Ça veut dire qu'il y a une compétition sur les ressources, il y a une compétition en termes de, de profession. donc, c'est une vitalité. Mais que le conflit aille jusqu'à être meurtrier, c'est ce qu'il faut dénoncer et c'est ce qu'il faut arrêter. Je pense qu'il est possible au Niger et au Sahel qu'on imagine un jour que nous n'aurons pas ces conflits-là intercommunautaires, intracommunautaires et puis dans notre sous-région. Et pour cela, il y a plusieurs causes qu'il faut attaquer. La première cause, c'est la cause de la souveraineté de nos États. Il y a des conflits qui vont au-delà de nos États. Le conflit que nous vivons ici au Sahel, c'est un conflit qui participe soit de la géopolitique internationale, soit de la, des conséquences, si on veut voir ça de façon un peu euh, réaliste, les conséquences des conflits qui nous entourent, notamment le conflit libyen, le conflit soudanais, le conflit, euh, le mouvement démocratique du monde arabe de l'Afrique du Nord, là, qui a déstabilisé un certain nombre des États et d'autres conflits latins qui étaient là, qui étaient nés de l'indépendance, euh, notamment un peu l'attelage au niveau de différents peuples qui, constituent nos différentes républiques, qui se qui ne se retrouvent pas, des conflits qui ont été entretenus au-delà de nos frontières. Donc ça, c'est pour faire un peu le décor. Maintenant, en ce qui concerne nous, nos responsabilités en tant que citoyens de ces pays-là, il faut qu'on aille vers une approche droit. Lorsque les États arriveront à assurer les droits des citoyens et que les citoyens de ces pays-là arriveront aussi à assumer leurs devoirs envers ces États-là, je pense qu'il y aura euh, un apaisement, il y aura une acceptation. Parce que lorsque un citoyen se sent en termes de droits et de devoirs pleinement respecté dans sa citoyenneté, eh bien, il va faire un effort pour euh, accepter euh, la République, faire respecter les lois et les règlements de la République. Donc, on va assister à l'avènement de la jouissance effective des droits des citoyens et on va arriver à une situation où chaque citoyen va librement euh, euh, accomplir son devoir. En ce moment-là, on ne parlera plus de conflit. Mais pour arriver là, il faut d'abord que nous ayons des États fiables en termes de, de droit, bien sûr. Et il faut que nous ayons des citoyens responsables. Tout de suite, euh, M. Souman a parlé du fait que nous avons des citoyens qui n'ont pas le bagage requis. Et il va falloir que les États, les organisations de la société civile puissent faire un effort pour faire participer tous ces citoyens-là à une vie publique saine et vraiment responsable. Cela se voit dans les zones rurales, mais même en ville, quand vous voyez, euh, je prends un exemple terre à terre, par exemple, le, code routier, c'est quand même le, manuel le plus usuel en ville. Chaque matin, chacun de nous, on sort avec les engins et on se promène, euh, on fait nos, distances régulières pour aller euh, exercer nos différentes euh, fonctions professionnelles. Mais nous voyons la circulation, comment le code routier est mal respecté. Et même quand l'État met des gens pour faire respecter ça, bon, chaque fois, c'est des petits conflits, c'est dû au fait que personne ne respecte quoi que ce soit. Et ça, je crois qu'on n'a pas de citoyens responsables. Vous, parlez de l'inobservance des lois de la République. Par les citoyens eux-mêmes, par ceux qui sont chargés de les faire respecter. Parce que lorsqu'un citoyen ne respecte pas euh, les dispositions d'une loi, eh bien, il y a la force publique qui doit le rappeler à l'ordre et le ramener, soit par une amende, soit par une sanction quelconque. L'État doit être ferme et équitable. Donc, quand nous disons que nous avons beaucoup de lois, ici au Niger, on a fait beaucoup de lois et puis ces lois-là ne sont pas respectées. Je pense que ce n'est pas dû seulement à l'ignorance des citoyens. C'est dû aussi au fait que ceux qui sont chargés de les appliquer ne vont pas jusqu'au bout, notamment l'autorité politique, l'autorité administrative, l'autorité coutumière. Non pas parce que seulement les autorités n'ont pas le pouvoir. Certes, je le reconnais qu'avec euh, la démocratie, et il y a eu une fragilisation de l'autorité coutumière et administrative, mais il va falloir qu'on revienne vraiment à l'orthodoxie de la gestion administrative. Il faut que l'administration, une fois que vous êtes investi, il y a eu les élections, c'est fini, on sait qui a gagné, qui doit gérer, il faut qu'on gère de façon vraiment orthodoxe, de façon que les lois soient appliquées. Celui qui a tort, on lui fait savoir qu'il a tort et il doit réparer. Celui qui a raison, on lui fait savoir qu'il a raison et il a des droits que l'État doit faire respecter et on les fait respecter. En ce sens-là, nous, allons vivre dans des États et nous allons vivre en bon citoyen. parce qu'on sait que lorsque tu ne remplis pas ton devoir, l'État est là pour te rappeler à l'ordre et te ramener au respect de ses devoirs. On sait que quand on a un droit, lorsque tu le cherches de toi-même, tu ne le trouves pas, l'État est là pour te le garantir. Marou Amadou Bello, comment faire pour une gestion durable des conflits au Niger en ce qui concerne les conflits, nous avons de plusieurs sortes de conflits. Nous avons les conflits agriculteurs-éleveurs, les conflits intercommunautaires, les conflits entre hommes politiques, euh, ce que nous connaissons. Par les conflits politiques. Les conflits politiques, notamment des conflits sur le code rural, sur les outils des élections, tout ça. Nous pensons que pour revenir à vraiment un État respectable qui se respecte, c'est d'établir des lois. Une fois que ces lois-là sont adoptées, il faut les respecter et les faire respecter. Il faut éviter de faire des interprétations tendancieuses de la loi. Il faut éviter au niveau des États les partis pris par les responsables. Les, deux poids, deux mesures. Les deux poids, deux mesures, comme on le dit, ou bien carrément l'interprétation tendancieuse des lois et règlements de, nos républiques. Il faut qu'on accepte aussi de faire des interventions judicieuses quand il s'agirait de sécuriser, par exemple. Parce que nous, ce qui nous gêne beaucoup aujourd'hui, je reviens là-dessus, c'est lorsqu'on demande à nos États de nous sécuriser, et sécuriser nos éleveurs, je vais dire, l'État, au lieu d'aller jusqu'au bout de cette sécurisation-là, l'État laisse le doute et l'amalgame s'installer entre l'éleveur transhumant et le djihadiste. C'est un grand problème aujourd'hui. Si on veut que les choses marchent bien, il faudrait bien que ces États-là acceptent, malgré que c'est difficile, de faire la distinction entre le djihadiste et sa communauté d'origine. Et en plus, il faut qu'on respecte les règles. Par exemple, en termes de transhumance, chacun de ces États-là se sont dotés de lois. La CDAO a ses règlements. Nous, on ne demande que le respect de ces lois-là puisque c'est des études qui ont été faites par les spécialistes, puisque les États ont espérés, les assemblées ont accepté. Bon, eh bien, l'administrateur, ceux qui sont chargés de la gestion quotidienne, doivent euh, accepter d'appliquer ces lois et ces règlements-là et de mettre tous les citoyens au même pied d'égalité. Éviter la rupture d'égalité des citoyens devant la loi. Soumana Amadou, tout de suite vous avez évoqué que des acquis euh, ont été euh, engrangés, des avancées ont été arrêtées. Comment euh, faire pour consolider tous ces acquis Je disais tantôt que le meilleur moyen pour pérenniser ces acquis, c'est vraiment de continuer dans la même lancée, notamment à travers la sensibilisation des populations. C'est aussi la mise en contribution de tous les acteurs, notamment la société civile c'est pourquoi je disais, j'ai beaucoup apprécié eh, la présence euh, de la reine, la reine à, euh, à ce forum, parce que c'est un partenaire stratégique pour notre département. C'est un partenaire euh, qui, à chaque moment que le besoin se présente, nous interpelle ou vient discuter avec nous par rapport à des problèmes bien donnés. Et c'est toujours une solution qui en sort. Donc je pense que vraiment toute la société civile pastorale et agricole doit être mise à contribution par rapport à ce phénomène bien précis et de façon générale tous les acteurs. Soumana Amadou, à présent, quels sont vos appels ou recommandations et même des propositions de solutions à court, moyen et long terme pour une coexistence pacifique au Niger Mon appel, vraiment, c'est un cri de cœur que j'adresse au niveau de toutes les communautés et au sein des communautés elles-mêmes, et vraiment d'aller vers la tolérance de savoir que euh, si le Niger est entouré que par des pays en conflit et que nous sommes presque à un îlot de paix dans un océan de guerre, c'est parce qu'il y a un ciment, il y a un ciment qui est là, qui lie tous les Nigériens, qui est la religion. Donc, c'est de penser à cela qu'on est avant tout des musulmans et qu'on est appelé à la tolérance et à l'acceptation de l'autre. C'est le cri de cœur que j'adresse vraiment au niveau de la communauté. Maintenant, au niveau partenaires, c'est de continuer à appuyer nos efforts par rapport à la gestion de ces conflits et par rapport aussi au développement de la zone. Parce que, je vous l'ai dit, le développement et les conflits sont liés. Je lancerai un appel au niveau de tous les acteurs pour qu'il y ait plus de communication. Parce que lorsque les gens communiquent, quelqu'un soit la difficulté, elle peut être atteignée, elle peut être vraiment éradiquée. Continuer à la communication. Communiquons entre nous ne laissons pas à ce que d'abord euh, la chose se gâte pour dire qu'on va gérer après. Non, il faut régler les choses à l'amont. Dès qu'il y a un sous qui est là, vraiment, je pense qu'il faudrait communiquer avec euh, qui de droit pour que vraiment cela soit réglé en amont. C'est vraiment l'appel, le cri de cœur que j'ai à lancer au niveau de tous les acteurs. je pense que euh, Marou Amadou Bello, quels sont vos appels ou recommandations ou même propositions de solutions à court, moyen et long terme pour une meilleure coexistence pacifique au Niger Nous pensons que d'abord, euh, par rapport à votre question précédente, comment préserver, les acquis mm, oh. Vous n'êtes pas sans savoir que le Niger, au niveau du Niger, nous avons des aires de pâturage, des zones de repos, de la zone pastorale. Donc, euh, euh, il faut préserver ces espaces-là, des couloirs de passage. Il faut que vraiment la loi soit euh, respectée à ces niveaux là euh, et que ces zones soient préservées pour, dans l'intérêt à nous tous. Parce que l'élevage, quand même, c'est pour nous tous. Tout le monde la pratique et tout le monde en tire les bénéfices. Et, parce que au niveau du Niger, ce qui nous inquiète, c'est surtout, je lance l'appel à l'endroit du ministère de l'élevage et de l'agriculture, euh, en termes de politique agricole et surtout du, gouvernement en général et même du chef de l'État pour que ces espaces-là soient protégés. Nous avons aujourd'hui dans le gouvernement un certain nombre de, leaders qui prônent pour la privatisation de ces espaces-là. Nous pensons que euh, privatiser les espaces pastoraux au Niger n'est pas une bonne chose pour la, le, simple fait que euh, toutes les privatisations qui ont été faites au Niger on finit par, la, en grande partie, par échouer d'abord, et puis par euh, mettre au chômage un certain nombre de, citoyens nigériens. la seule branche qui nous reste, ou le seul secteur qui nous reste, qui emploie assez de Nigériens, c'est le secteur agropastoral. Si aujourd'hui ce secteur est privatisé, je pense que ça aura des conséquences socio-économiques incalculables au niveau du Niger et que cela n'est pas une bonne politique ceux qui le font doivent savoir qu'ils euh, doivent abandonner ce projet dans l'intérêt de la République du Niger et de l'intérêt des citoyens nigériens en général et de l'intérêt de la paix. Tout de suite, euh, le, le SG parlait, monsieur le SG parlait du fait qu'il faut il faut lier la résolution du conflit au développement socio-économique. Et le premier développement euh, économique et social d'un citoyen, c'est d'avoir une profession. Donc il faut protéger la profession agropastorale euh, par les moyens idoines qui existent, qui sont à la portée de nos États. Il faut qu'on le fasse. Et deuxièmement, il faut que les, organisations de la société civile, au niveau des arènes, par exemple, nous, pour protéger ces aires-là, nous avions, euh, avec l'aide de nos partenaires, créé un mouvement, euh, notamment la, la campagne Sauvons les terres pastorales, qui était un mouvement d'avant-garde pour protéger les espaces pastoraux pour éviter que le phénomène d'accaparement de terre euh, euh, ne puisse faire disparaître ces espaces-là. Nous pensons que des mouvements comme ça nécessitent d'être soutenus par nos collègues de la société civile et même par le pouvoir politique qui, dans une certaine mesure, euh, quand même, nous, nous, pouvons, nous pouvons dire que nous constituons un levier. Parce que là, là où le pouvoir ne peut pas euh, euh, peut avoir des jeunes à intervenir, nous, au niveau de la société civile, car la cause est juste, nous pouvons vraiment aller, aller de l'avant et, soutenir nos États euh, dans ce domaine-là. Donc, en dernier ressort, nous demandons à ce que les textes qui restent, par exemple, au niveau du code pastoral, les décrets d'application, il faut qu'on les adopte. Et une fois adoptés, il faut le, que la mise en œuvre soit vraiment euh, euh, faite de, façon, de la façon la plus euh, judicieuse et la plus respectueuse de la citoyenneté de, des populations. Maintenant, au niveau des différentes communautés, l'appel que je veux lancer, c'est de dire que nous sommes quand même tous les mêmes. Aujourd'hui, que vous soyez d'origine nomades euh, nomade ou pastorales, que vous soyez d'origine agricole ou pastorale, euh, nous sommes tous les mêmes, nous sommes les citoyens des mêmes pays. Nous avons vécu ensemble pendant des siècles. Nous avons forgé des règles de gestion sociale qui nous permettaient de vivre ensemble. Ce, ce qui a lieu de faire, c'est de, revenir à l'acceptation de soi. Certes, les ressources se sont, sont rarifiées, mais il va falloir que l'ingéniosité humaine aussi puisse se développer de façon à ce que chacun retrouve un espace de vie agréable dans son milieu naturel. Donc, et ça là, ce n'est pas quelqu'un qui va venir faire ça à notre place. C'est nous les citoyens de, différents pays. Et c'est nous les citoyens d'Israël. C'est nous qui devrons accepter de le faire. Nous avons des outils tels que les religions, tels que le cousinage à présenterie, qui nous permettent d'aller ensemble. Et tous ces conflits qu'on est en train de créer, qui est le perdant C'est le Niger. C'est le Niger. Et qui est le gagnant C'est le vendeur d'armes qui est le gagnant. C'est le, c'est, le des ressources minières qui est le gagnant. Donc, en, fin de compte, c'est nous, citoyens agricoles, le gros les gros perdants. Les politiques de nos États sont les, les grands perdants. Aujourd'hui, nos États mettent beaucoup de l'argent dans la lutte contre le terrorisme en délaissant les secteurs sociaux de base. Et ça, ce qui perd, c'est nos États qui perdent. Nos invités s'accordent à reconnaître que malgré les actions multiples menées par l'État et les ONG qui interviennent dans le domaine pour prévenir et gérer les conflits, des zones d'ombre euh, persistent encore. Une campagne de sensibilisation s'avère nécessaire pour prévenir les conflits et vulgariser les voies de recours à suivre en cas de conflit entre les communautés, mais également pour promouvoir euh, les textes qui régissent les rapports entre les acteurs ruraux et d'attirer leur attention sur les conséquences que peuvent avoir ces conflits. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Soumana Amadou, secrétaire général de la préfecture du département du Falmey, région de Dosso, et Morou Amadou Bello, conseiller technique en communication à l'Association pour la redynamisation de l'élevage au Niger. Merci à nous nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parvient grâce à nos 38 radios partenaires. Merci, au revoir.